The forum du studio the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou 18h passé de 16 minutes en Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum toujours avec euh, l'actualité dans le nord euh, du Niger, plus précisément à Agadez et à sa frontière avec euh, l'Algérie. Nous reviendrons sur le rapatriement forcé des migrants subsahariens vivant ou de passage en Algérie vers le Niger, une décision prise par les autorités algériennes. Nous parlerons également du phénomène de la corruption en marge de la célébration aujourd'hui de la journée internationale de lutte contre la corruption. Et enfin, nous allons voir ce que c'est que la laïcité en rapport avec la célébration de la journée euh, de la de ce jour de la journée mondiale de la laïcité. 989 migrants, dont 179 Nigériens et 810 ressortissants d'autres pays d'Afrique, sont arrivés à Agadez euh, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2016. Nous en avons parlé dans nos précédentes éditions. Ces migrants ont été accueillis à leur arrivée par les autorités de la région d'Agadez. Le gouverneur d'Agadez, Sadou Soloke, nous fait le point de leur prise en charge et de leur acheminement vers, vers leur lieu euh, respectif d'origine. Il est interrogé par Moussa Maman. Effectivement, nous avons reçu hier, en fin d'après-midi, autour de 19h, h 20 27 camions transportant 989 migrants venus d'Algérie, refoulés donc euh, d'Algérie. Ces 989 euh, migrants se répartissent en 179 Nigériens et 810 autres Africains. Nous les avons donc accueillis hier euh, tombés de la nuit et nous nous sommes euh, investis pour trouver un espace pour euh, leur accueil. Ce qui a été fait avec les concours des services techniques et de la commune d'Agadez naturellement. Ensuite, nous sommes investis à les mettre dans des conditions pour quelqu'un qui vient de subir un tel voyage. C'est ainsi donc qu'avec nos partenaires, nous avons pu les soulagés un peu, nous avons pu les alimenter et nous avons euh, commencé à les recenser. Le recensement, c'est ce que je viens de vous donner, a donné 179 Nigériens identifiés qui ont été déjà mis en route pour leur région. Ceux-là sont partis. Il reste actuellement sur le site quelques 810 Africains. qui sont toujours à Agadez, mais pour lesquels nous avons été saisis premièrement par l'ambassadeur du Mali, qui se préoccupait du sort de ses concitoyens et qui a évoqué des accords qu'ils ont avec euh, un transporteur. Et le transporteur s'est effectivement manifesté pour faire euh, continuer leur chemin aux ressortissants maliens. Les Maliens sont au nombre de 263, nous les avons identifiés. Nous avons aussi eu plusieurs contacts, entre hier et aujourd'hui, le 7 et le 8 décembre, plusieurs contacts avec l'ambassadeur de l'Algérie qui nous a finalement signifié la décision de leur pays de prendre en charge le transport de ces migrants, de ces refoulés sur leur pays de destination. Nous sommes donc dans l'attente de la mise en œuvre de cette euh, décision des autorités algériennes. C'est, paraît-il, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, qui est censée d'accueillir euh, les migrants en cas de difficulté, n'ont pas pu accepter ces migrants. On peut savoir pourquoi C'est vrai, lorsque les migrants ont été déjà annoncés à Assamaka, c'est le poste d'entrée chez nous, puis à Arlit, j'ai personnellement touché les représentants de l'OIM pour leur dire ce qui arrive et de leur euh, concours dans la gestion de cette situation. Ils m'ont répondu que cela n'entre pas dans le mandat qu'ils exercent au Niger et donc qu'il n'y avait rien à attendre de leur part. Nous avons donc pris notre responsabilité de gérer la situation comme elle est venue. C'était là Sadou Soloke, gouverneur de la région d'Agadeza. Selon lui, tous ces migrants vont être euh, acheminés vers leur région d'origine, nous l'avons dit. À cette occasion, notre correspondant sur place à Agadez, Moussa Maman, a recueilli euh, les témoignages de, de quelques migrants. Il raconte ce qu'ils ont vécu depuis plusieurs jours. Sengimbous Avenir Edwige, camerounaise. J'ai 30 ans. On nous a pris, moi je rentrais du travail, on m'a pris juste en route et j'ai tout perdu comme ça. on m'a mis dans le bus sans savoir où est-ce qu'on m'a On m'a jeté dans un camp où on ne nourrissait personne. On a souffert là-bas comme ça, on versait le gaz lacrymogène sur tout un chacun. Et on a vécu ça comme ça. Après, nous ont dit que parce que nous sommes noirs, on a le droit de rentrer chez nous. Pourquoi vous êtes parti à l'Algérie Parce que l'Algérie, c'est l'Afrique. Je suis partie par vol. je suis allée en Algérie légalement avec mon mari. Je ne pense pas qu'il y a des barrières qui interdisent à qui que ce soit d'aller où que ce soit. Donc, on est libre d'y aller. S'ils ont accepté de me donner un visa, ça veut dire que j'étais libre d'y aller. Donc il n'y a pas de question là-dedans. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas Je travaille dans une entreprise de fabrique. Là-bas, on fabrique, euh, une entreprise de fabrique de biscuits. Comment vous vous sentez physiquement et moralement À votre avis, on devrait se sentir comment Si depuis au moins près de deux semaines nous sommes dans cette situation, on te lève, tu perds tout, on t'enlève de ta maison, tu perds ton travail, tu perds ton argent. Moi, je suis enceinte. Quel suivi j'ai ici, je ne sais pas. ici, on nous transfère dans des camions, on nous massacre, on fait tout, on bastonne, quel qu'en soit ton état, on te tabasse, c'est normal. Regardez là où une femme enceinte peut dormir. Dans l'insalubrité totale, on nous parle que la croix sera la valeur au moins 50 ans, on l'attend, n'est jamais là. Sortir te trouver de quoi manger, c'est impossible parce que nous sommes gardés comme des rats Je ne sais pas. Au moins si nous sommes en Afrique noire, pourquoi vous aussi vous nous traitez comme ça Il n'y a pas que l'Algérie, il y a vous aussi. Je m'appelle M. Kwasi Philippe. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis plus de Boaké. J'ai 46 ans. S'il y a un mot qui peut dépasser le mot pénible, que vous pouvez m'emprunter pour, qualifier ça, je, serait euh, l'homme le plus heureux. Très difficile. Comment un pays comme l'Algérie, que vous connaissez d'après eux, ils ont travaillé sur les chantiers, ils ont travaillé un peu partout, partout. Tout l'argent est resté là-bas. Mais pourquoi vous êtes parti en Algérie Bien sûr, je suis allé pour chercher de l'argent. Et vous voyez Parce que c'est à cause de nous, mêmes nous les Africains. Nous, on, peut travailler chez nous ici. Mais comment ils vont nous payer Le manœuvre, le manœuvre en Algérie, il est payé à 7500 francs le jour. Ici, vous le payez combien 800 francs. CFA. Mais pour leur donner les 800 francs CFA, c'est un problème. Comment vous êtes parti en Algérie Je suis passé par ici, à Gadez. Mais quel est votre travail là-bas moi, moi, je suis peintre, bâtiment maintenant physiquement et moralement, comment vous vous sentez Franchement dit, déprimé. Vous voulez que je, la folie euh, s'agrandisse Parce que là, parce que où je suis là, je n'ai même pas un rond. Tout mon argent, euros, près de combien, combien d'euros, c'est resté là-bas. Ils vont prendre ça. Pourquoi La moindre des choses, vous prenez quelqu'un, alors à la maison, ramasse les bagages, on vous refoule. Ça y est. Mais façon, ils ont frappé nos frères à Zeralda. Oh, il y a eu quatre morts. C'est Chantal Mabiala, congolaise. J'ai 35 ans. Moi, j'ai choisi l'Algérie parce qu'ils ont dit que c'est le pays euh, d'Arzil. J'étais parti, j'étais d'Arzil. Euh, je voulais seulement la paix. C'est que je voulais la paix dans ma vie. Euh, j'étais là, j'ai installé là-bas. Je suis très fort pour la ménage. Je fais la ménage, euh, je, commence à 6 heures. Je viens à la maison à des fois minuit parce que j'ai des enfants. J'ai des enfants qui sont chez moi. J'ai trois enfants moi. On nous a refoulés. Nous, on a pu m'élever au lit avec les pyjamas. On ne savait pas qu'on va nous refouler. On était dormis comme ça, aïe, aïe, aïe, C'est comme ça, on, s'est retrouvés ici. On a passé des heures, il y a les morts des désert. Il y a des gens qui ont coulé les sang. On a tapé nos frères, nos sœurs. Il y a les malades. Mais qui les a tapés les, Algériens qui les a tapés parce qu'il y avait en famille là, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Il y a des autres qui font les crises, euh, euh, il n'y a pas d'à manger, il n'y a pas d'à boire. Il, fait, il n'y a même pas les médicaments. Moi, je peux vous donner l'exemple, ma fille a fait une crise. Comment tu te portes euh, physiquement et moralement Rien, rien du tout. Donc là où je suis, je suis foutu. Foutu du tout. Parce qu'il n'y a pas de toilettes, il n'y a même pas de liberté, même si j'ai, même un, un franc là. Je ne peux pas choisir ce que je peux manger. Donc je mange ce que je ne peux pas manger. C'était là quelques migrants expulsés d'Algérie vers Agadez. Ils sont interrogés par Moussa Maman. Restons toujours dans la capitale de l'Aïr à Agadez. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célébrera demain, samedi 10 décembre 2016, le 68e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon le coordonnateur régional de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme de la région d'Agadez, Saloubaka, joint ce matin au téléphone, cette année, cet anniversaire intervient dans un contexte de violation des droits de l'homme dans la région d'Agadez. On l'écoute. Salou Baka, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur régional de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH, antenne Agadez. Demain, le monde célébrera l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans quel contexte euh, cette euh, célébration va avoir lieu dans la région d'Agadez effectivement, cette euh, célébration coïncide euh, avec euh, un problème au niveau de la région. Il s'agit plutôt du refoulement des Nigériens vivant en Algérie. Donc l'Algérie a pensé que c'est des exploitants de l'or, que il s'agit des exploitants clandestins d'or dans leur territoire. Donc c'est dans ce cadre que ces Nigériens donc, en tout cas, officiellement jusqu'à présent, il y a 744 qui ont été refoulés et remis officiellement aux autorités régionales. Et ces migrants, disons, on ne peut pas les considérer comme migrants, bon, c'est des citoyens nigériens qui ont été en Algérie d'après l'Algérie d'exploiter de l'or clandestinement. Et du 3 au 5, ont euh, été rapatriés dans leur, leur euh, localité d'origine. Maintenant, il y a une autre vague qui est en route, dont nous n'avons pas encore la situation. Donc, c'est pour dire que cette célébration coïncide avec un moment euh, qui n'est pas favorable pour les, droits humains. Parce que quand même, l'être humain a le droit d'aller et venir, bien qu'il faut effectivement être en, en position de ces documents et de voyage. Donc, euh, c'est ce que je peux dire. Effectivement, c'est malheureux que cette célébration coïncide avec, euh, en tout cas, cet événement. Dans quelles conditions euh, ces migrants ont été refoulés vers Agadez Bon, pour ce que nous connaissons, parce que je, vous dis que pour la deuxième vague, nous n'avons pas, nous, encore la situation, mais paraît-il qu'il y a une autre vague qui est arrivée mais pour la première vague, ils étaient accueillis, ils étaient assez bien accueillis par les autorités régionales. Et il y a eu des dispositions qui ont été prises par rapport à leur nombre pour qu'ils soient, euh, en tout cas, euh, mis en chemin sur leur lieu de, euh, lieu de résidence. Par rapport à ce rapatriement, peut-on parler de violation des droits de l'homme Effectivement, par rapport à ça, il y a des dispositions qui doivent être prises parce que la première vague ça, nous avons eu avec précision que c'est des exploitants clandestins de l'or sur le territoire de l'Algérie. Ça, euh, je crois que c'est une un autre problème parce que je pense que on ne peut pas aller exploiter de l'or clandestinement dans un pays voisin sans avoir l'autorisation. Mais pour ce qui concerne les autres euh, migrants, ça, effectivement, si le migrant dispose de tous ses documents de voyage, en tout cas, on peut, on peut dire que euh, vraiment c'est une violation des droits, des euh, droits humains. Mais il faut se rassurer que euh, ce, citoyen dispose en tout cas de tous ces papiers qui lui permettent en tout cas de, faire ce voyage, son droit d'aller et venir depuis quelque temps au Niger. Une loi incriminant le trafic d'êtres humains a été examiné et votée. La mise en application de cette loi a-t-elle des conséquences à Agadez Bien, euh, pour l'instant, c'est trop tôt de se prononcer, mais même il y a quelques passages de cette loi qui nous préoccupent parce que nous pensons que vraiment c'est des, articles qui vont à l'encontre, en tout cas, du droit et venir, en tout cas, des citoyens en général et des migrants en particulier pour ces cas spécifiques, il y a des citoyens de la région d'Agadez euh, qui transportent ces migrants. Euh, d'autres ont des ghettos pour héberger ces migrants. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises euh, localement pour reconvertir ces personnes Bien, parce que il faut mettre les choses dans, leur contexte. Parce que si nous parlons en tout cas des migrants, il s'agit beaucoup plus de la sous-région, en l'occurrence de la CDAO, donc qui ne sont pas une grande majorité des misériens. Maintenant, les misériens qui résident au niveau même d'Agadez, ils partent euh, moins euh, en en Europe, hein, ils s'arrêtent beaucoup plus en, Libye et ils font leur truc, ils reviennent. Mais quant, aux autres, effectivement, pour l'instant, il y a les détours, ce qu'on appelle le communément des détours, les euh, lieux d'hébergement de ces migrants qui sont pour le moment fermé parce qu'avant même que c'est clandestin. C'est du clandestin, clandestin, c'est pas officiel. les transporteurs euh, des, migrants, eux aussi beaucoup ont eu leurs véhicules qui sont euh, confisqués. Et les passeurs, il y a eu même quelques-uns qui ont été, arrêtés. Le temps d'assainir la situation et voir dans quelle mesure, en tout cas, euh, le migrant peut poursuivre son chemin. Alors, monsieur le coordinateur régional, est-ce que la mise en application de la loi incriminant le trafic euh, d'êtres humains n'ouvre pas euh, la voie à d'autres euh, choses telles que l'utilisation des voies de contournement Bien, effectivement, il serait intéressant d'organiser, dans la mesure du possible, le, voyage des migrants, parce que quand même c'est un droit. Et effectivement, une fois que cette loi et appliquer et ça va euh, d'office engendrer en tout cas des, détours hein, pour échapper à, la vigilance des, autorités, pour essayer coûte coûte de, rejoindre en tout cas sa destination. Maintenant, pendant ce, parcours, il peut y avoir beaucoup d'incidents ou d'accidents. Donc, il serait mieux que le voyage soit organisé afin de mettre le migrant en, en sécurité, la vie du migrant en sécurité la région d'Agadez est citée comme étant une zone rouge, donc euh, impropre au tourisme. Est-ce que la mise en application de cette loi qui incrimine la traite euh, des personnes ne favorise pas à isoler davantage la région d'Agadez Bon, euh, pour l'instant, moi, je vis pendant de longues années ici à Agadez. Euh, on a parlé de zones rouge, mais en tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle, en tout cas, la ville d'Agadez, disons même la région d'Agadez, en tout cas, ne doit pas en principe être dans cette zone rouge. Parce que on a vécu pas mal de choses et on sent que euh, actuellement, en tout cas, les choses changent favorablement dans l'intérêt des citoyens. Donc, euh, je ne pense pas que, en tout cas, cette loi a des incidences aussi négatives sur euh, la vie des, migrants. Salou migrants. on vous remercie. Je vous en prie. C'était là le coordinateur régional de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme de la région d'Agadez, euh, Salou Baka, joint ce matin au téléphone. Aujourd'hui, 9 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Le thème retenu pour cette année est Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. Le classement des pays africains dans l'indice des perceptions de la corruption 2015 de Transparency International place le Niger au rang du 99e pays à l'échelle internationale. Idi Abdou, administrateur de la ligne verte, analyse le phénomène de la corruption du Niger. Il est interrogé par Soumana Amadou. Quelle est la loi qui a été prise à l'égard de la corruption au Niger Vous savez, il y a une convention des Nations Unies où tous les partis États ont signé cette convention vu l'ampleur que prenait la corruption parce que la corruption évidemment est une vraie menace contre la démocratie, contre l'état de droit. Je vais vous donner un exemple pour avoir une idée des dégâts que la corruption peut occasionner. Vous prenez un pays qui est même de l'UMOA, qui s'appelle Guinée-Bissau. À un moment, ce pays-là, pratiquement l'État a disparu. C'était pris en otage par des narcotrafiquants et autres groupes organisés. Donc, quand on laisse la, on laisse la corruption, ce qui risque d'envelopper tous nos États est de les prendre en otage. Il n'y aura plus l'État du droit, parce que les groupes organisés, les groupes criminels vont prendre ces États en otage et les utiliser comme ils veulent. Donc, c'est dans ce sens-là, vu les dégâts et vu l'ampleur que prenait la corruption, que la Convention des Nations Unies a été élaborée. Notre pays l'a ratifiée en 2008. Et suite à sa ratification, euh, en dehors d'autres organes de contrôle classiques, le Niger a mis en place une haute autorité dénommée Halcia pour combattre la corruption. Le Niger a mis en place un bureau dit information, réclamation, lutte contre la corruption en milieu judiciaire pour lutter contre la corruption. Et récemment, Dieu merci, la Halcia est érigée, ce n'est plus le décret, c'est une loi maintenant qui régit le fonctionnement de la RCA, c'est déjà une avancée. La corruption, c'est un fléau mondial qui engage des groupes organisés et qui ont une portée mondiale. Le combattre, c'est très difficile. C'est pour cela qu'on appelle ça lutte, parce que ce n'est pas facile. Maintenant, c'est notre code pénal qui dit que effectivement la corruption ce n'est pas bon. Et la Convention des Nations Unies l'a criminalisée. C'est le sens de la Convention des Nations Unies, la corruption c'est un crime. Et dès lors que tout parti État à cette convention doit aussi, au niveau de sa législation interne, criminaliser la corruption. Donc, quand vous regardez effectivement, de 2011, parce que la Halcia et la ligne verte étaient créées en 2011, vous allez voir régulièrement, le Niger a connu une amélioration du point de vue perception de la corruption selon la selon transparency, transparency internationale. Bon, vous allez me dire que c'est vrai, mais euh, si vous circulez votre micro dans la rue, vous aurez une autre version comme si ça s'est même aggravé. Effectivement, vous avez d'abord un pays où pratiquement on tolère la corruption. Les citoyens s'adonnent à la corruption. Et certains échafaudent même des théories pour chercher à justifier la corruption. Vous allez entendre des gens qui vont vous dire que non, la cola a toujours existé. Non, ça n'a aucun sens, c'est une théorie bidon pour justifier ce qui n'est pas justifiable. La corruption n'est pas justifiable. Et la corruption au-delà, ce n'est pas les organes seulement de lutte contre la corruption, ce n'est pas l'État. C'est un fléau mondial. Et pour le combattre, il faut que les citoyens se mobilisent. Il faut que tout citoyen qu'il est, qu'il affiche une intolérance vis-à-vis -vis de la corruption. Sinon, si les citoyens acceptent la corruption, les organes de lutte contre la corruption, ils ne peuvent pas donner le résultat escompté, parce que certains, il faut que les gens dénoncent les actes de corruption. Si les gens tolèrent la corruption, ils ne vont jamais dénoncer. Et quand ça se passe, il n'y a personne. Il n'y a que le corrupteur et le corrompu. Donc, personne ne peut savoir ce qui se passe. Il faut qu'on porte ça à la connaissance. Et si les citoyens recusent catégoriquement la corruption, ça veut dire que on a un grand pas pour combattre la corruption. C'est pour cela que vous allez voir les citoyens ont d'autres perceptions parce qu'ils ont l'impression que ça s'amplifie. Oui, ils ont l'impression que ça simplifie parce que le terrain est favorable. Un, les citoyens même l'acceptent. Deux, l'impunité ambiante font que les progrès ne sont pas visibles à l'œil nu. Parce que tout simplement, les citoyens, comme ils l'acceptent, ils s'adonnent à la cour. Vous allez voir des gens qui cherchent des raccourcis. Tu préfères aller corrompre pour avoir un service public que d'aller suivre la voie normale pour que l'argent soit utile pour le pays, pour tout le monde. Parce que c'est avec cet argent-là on va construire les hôpitaux, c'est avec cet argent-là on va construire des écoles, c'est avec cet argent-là on va payer les, les, enseignants, c'est avec cet argent-là on fait fonctionner l'administration publique pour développer le mais les gens préfèrent effectivement aller mettre leur argent dans la poche d'un individu. C'est dans sa poche en fait. Quand vous corrompez quelqu'un, c'est lui qui vous a mis votre argent dans la poche. Ça veut dire que vous avez choisi de faire la promotion de l'intérêt de cet individu-là au détriment de l'intérêt général. Parce que l'argent qui passe dans la caisse de l'État, c'est pour tout le monde. Alors que celui qui passe dans sa poche, c'est pour lui-même. Donc voilà les éléments qui font que euh, on a cette perception comme si la corruption effectivement prend de l'ampleur. Un, c'est que les citoyens en général l'acceptent. Il y en a même qui veulent échafauder des théories pour défendre ce qui n'est pas défendable. Deux, l'impunité ambiante qui règne dans notre pays est de nature à être un vrai obstacle. Sinon, depuis 2011, il y a des progrès, il y a des actes très positifs pour combattre la corruption. C'est pour cela même que du point de vue indice de perception de corruption de transparence, le Niger a amélioré son rang. Parce qu'on avait commencé à 107e rang, je pense. Et on est à celui-là. Là. Donc, il y a eu rationnellement une amélioration de notre rang. Et même les points, on en a, mais on n'a pas atteint 50%, parce que c'est sur une échelle de 100. En Afrique, vous n'avez qu'à peine 4 pays qui ont réussi à sortir la tête de l'eau. Tous les autres là, euh, les autres pays que nous sommes, il y a le Rwanda, il y a le Botswana, il y a le Cap Vert. Parce que dans tous ces pays-là, quand vous regardez, qui ont une note supérieure à 50, c'est que la justice est indépendante. Le Rwanda, la justice est indépendante. Au Cap-Vert, Botswana, la lutte contre la corruption, il faut une volonté politique affirmée. On peut dire, on peut faire des professions de foi mais pour vérifier si réellement il y a cette volonté politique affirmée, c'est quand des gens proches des dirigeants sont pris la main dans le sac. Si on va laisser la justice faire son travail, c'est cela la volonté. Ce n'est pas la profession de foi, c'est la volonté. Et si l'impunité, les efforts, il y a eu des efforts. Les organes de contrôle classiques plus les, les structures créées pour lutter contre la corruption ont fait des efforts mais ces efforts, on a l'impression qu'ils sont annulés par l'impunité ambiante qui règne. Voilà le problème. Donc, il faut une volonté politique affirmée pour effectivement vraiment casser le parapluie de l'impunité. Parce que je suis convaincu, si on a réussi le combat de lutte contre l'impunité, tout le monde allait voir significativement que la lutte contre la corruption a beaucoup évolué positivement. Mais du fait de cette impunité qui vient s'adjoindre à la mentalité aussi de nous autres, des citoyens, qui tacitement, en réalité, acceptent la corruption, c'est ça qui fait que les efforts, les sacrifices consentis par les organes de lutte contre la corruption, en fait, ne sont pas visibles parce que l'impunité vraiment règne à mettre absolu. Euh, il y en a des gens qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi. Et quand il y a une catégorie de citoyens qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi, c'est qu'il y a problème. Quels sont les types de corruption qu'on rencontre au Niger Celles qui sont tellement fréquentes oui. Parce qu'on a coutume de dire que la chèvre brute, non, <laughs> qui ne sont pas bien. Parce que, en général, la corruption, qu'elle soit petite ou grande, c'est qu'elle est petite d'abord par rapport à quoi si on va au village, pour avoir, il faut pour 200, mais 200, laquelle est la valeur de 200 pour quelqu'un qui est au village, qui n'a pas 200 francs par jour C'est énorme pour lui. Donc pour moi, je n'aime pas la classification. Pour moi, petite, grande corruption, c'est évidemment de la corruption. Maintenant, la différence qu'on fait quand vous prenez les grandes corruptions, ça c'est au haut niveau, et souvent les multinationales. Les multinationales, ça c'est des grands sous pour faire perdre à l'État énormément. Quelqu'un disait, la corruption la plus stupide c'est en Afrique, où les multinationales peuvent, avec des miettes, corrompre un agent public pour faire perdre à son État des milliards. Mais du reste, pour moi, corruption égale corruption. Et il faut être intolérant vis-à-vis -vis de la corruption. La première équation à résoudre, c'est que tous les citoyens doivent comprendre que la lutte contre la corruption, c'est une affaire de tout le monde ou bien les seuls organes et les gouvernants ne peuvent pas, parce que ça ne se passe pas devant tout le monde. C'est cela. Et je pense qu'il y a même, je n'ai pas vu la dernière version du, du, code pénal, mais il me semble que le code, la dernière version du code pénal a internalisé beaucoup de dispositions de la Convention des Nations Unies, c'est-à-dire avoir des moyens adaptés, parce que les nuances de la corruption sont nombreuses. Les formes que la corruption prend sont nombreuses. Donc, il faut des outils à même de contenir la corruption. Donc, pour moi, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande. Les dégâts, ce sont des dégâts énormes. Parce que celle qu'on appelle petite, mais quand tu te mets dans le contexte, tu vas voir que la valeur perdue est énorme pour le milieu dans lequel elle s'exerce. Et les gens réfléchissent. C'est des groupes organisés criminels et ils cherchent tous à être en avance sur l'autorité parce qu'ils réfléchissent. Donc, il faut adopter les moyens et on espère que les moyens seront adaptés. Et en adaptant les moyens, c'est qu'il faut une volonté politique. Dans quel euh, secteur, dans quel domaine la corruption est plus fréquente Pratiquement maintenant, la corruption est partout. Partout, il y a la corruption. Tu sais, cette idée est venue même, il y a des secteurs qui étaient ciblés. Je vous ai parlé de la ligne verte du ministère de la Justice. Normalement, c'est parti sur un certain nombre de secteurs. La justice, les finances, les transports. Je parle des transports, les policiers que vous voyez là, sur la route au rond-point, la santé, l'éducation. Ces secteurs-là étaient des secteurs présumés corrompus. Et on avait décidé effectivement de faire dans chaque secteur des lignes vertes pour évidemment voir l'ampleur des dégâts il n'y a eu que la livre du ministère de la Justice. Le ministère des Finances, là où tout est visible et tout le monde, est récemment, vous avez suivi le ministre des Finances qui dénonce ces choses-là. Donc, il n'y en a pas ça au ministère des Finances. Transport, il n'y en a pas. Santé, il n'y en a pas. Éducation, il n'y en a pas. C'était des secteurs présumés corrompus. Finalement, maintenant, vous avez il n'y a pas un service public où ne règne pas la corruption. Parce que tout simplement, il y a des citoyens qui vont venir vous dire, on a été à tel service, on nous a réclamé telle somme. Nous avons dit que ça c'est de la corruption. L'agent dit si vous ne donnez pas ça, vous n'aurez pas le service. Et si vous voulez aller où vous voulez, ça, c'est très facile dans l'administration publique que les gens vous disent ça. Allez où vous voulez, ça veut dire que c'est l'impunité. Parce que il suffit d'avoir un soutien politique, rien. Vous êtes au-dessus de la loi. C'est en ce sens-là que le préalable, il faut lutter contre l'impunité pour voir les effets de la lutte contre la corruption. Tant qu'il y a l'impunité, vous ne pouvez pas voir à l'œil les effets de la lutte contre la corruption. Et Dieu seul sait l'ampleur, l'impunité qui règne dans notre parce que les gens, c'est au vu et au su de tout le monde, ils font ça. Parce qu'ils sont protégés. Même si vous partez, comme vous dites d'aller où vous voulez là, si vous partez, il n'y aura rien contre eux. Donc, il faut qu'on comprenne que la loi est égale pour tout le monde et qu'on veille à ce que la loi soit égale pour tout le monde. S'il y en a qui sont supérieurs à la loi, c'est que là, il y a problème. Parce que ça se voit. Les gens savent qui est qui et qui fait quoi Donc, pratiquement, quand vous prenez, il n'y a pas un service public qui n'est pas gangréné par le fléau de la corruption, même dans le privé. Donc, c'est cela qu'on a prévu, c'est ça que le monde a vu à travers les Nations Unies en, en créant cette convention-là parce qu'elle ne prenait que de l'ampleur. C'est des montagnes énormes. Si ici au Niger, on est capable de combattre la corruption et les infractions assimilées à la corruption, on n'ira nulle part chez quelqu'un tendre la main. Non, on aura l'argent pour notre développement chez nous-mêmes. Donc, voilà le problème. Il n'y a pas un secteur exemple. Il y en a euh, c'était la El Haji Idi Abdou, administrateur de la ligne verte, euh, relativement donc à la journée internationale de lutte contre la corruption. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, a célèbre la journée mondiale de la laïcité. Selon le constitutionnaliste Maine boukara la laïcité est la séparation de l'État de la religion. Elle représente un principe fondamental de la République euh, du Niger. Maine boukara affirme dans les faits que le concept de laïcité est purement théorique. Il est interrogé par Diallo Mariama Akenda. Le concept de laïcité veut dire euh, tout simplement la séparation entre l'État et la religion. C'est un principe fondamental de la République qui a été formulé par les philosophes des siècles des Lumières en France. Donc les, philosophes euh, euh, comme Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, tous les penseurs euh, de leur époque ont plaidé pour qu'il n'y ait pas une de l'Église dans les affaires de l'État. Le concept a été forgé politiquement et dès le XVIIIe siècle en France, le principe avait été formulé et appliqué. L'État à part, ou du moins les institutions de l'État, eh, sont distinctes des institutions religieuses, notamment les institutions de l'Église. Le concept euh, donc a été euh, donc euh, repris dans toutes les républiques naissantes et en Afrique et particulièrement au Niger, c'est aussi un dogme politique en ce sens que c'est un principe fondamental de la République consacré d'ailleurs dans la Constitution du Niger en son article 3, qui dit que la séparation de l'État et de la religion est un principe fondamental de la République. On citer quelques principes fondamentaux comme le gouvernement du peuple par le peuple, la justice sociale, la solidarité nationale, la séparation de l'État et de la religion. Quand on prend l'exemple du Niger, on sait qu'il y a plus de musulmans que d'autres euh, d'autres religions. Même cette majorité euh, ne peut pas avoir une influence euh, dans le gouvernement de l'État. Oui, et en théorie, euh, le Niger, à l'instar d'autres pays africains et du monde entier, est un État laïque. Les institutions de l'État à part, les institutions de la religion à part. C'est-à-dire que ce n'est pas une, république islamique. Voilà ce que ça veut dire. C'est un État laïque. Et donc, ça veut dire que l'État n'a pas de religion. Ça, c'est en théorie. Comme vous le dites, nous sommes un État majoritairement musulman. Par conséquent, dans la pratique, on ne sent pas la séparation entre l'État et la religion. D'ailleurs, n'est même pas indiqué pour les associations religieuses de faire une lutte pour dire nous ne sont pas d'accord, qu'on dise que le Niger est un État laïque, non. Je pense que c'est la société qui le refuse. Parce que malgré que la laïcité a été proclamée, la religion a une emprise réelle dans les institutions politiques et administratives. On le voit bien, M. Maïna euh, lors, par exemple, des prestations de serment rendu le Coran. Et est-ce que tout cela veut dire réellement que cette laïcité n'existe que dans la théorie théoriquement, elle existe, mais sur le plan pratique, elle est introuvable. D'ailleurs, il y a un véritable amalgame dans la Constitution. Quand on l'oblige, quand on demande à certains euh, euh, responsables de notre institution de prêter serment sur le livre saint, à commencer par le chef de l'État, il fait un serment coranique, ou bien un serment sur la Bible, enfin un serment sur euh, le livre sur la confession. Donc déjà, ici, il y a une contradiction entre l'article 3 qui proclame la laïcité et les différents serments. Mais même dans les affaires euh, les plus courantes, vous voyez, si je prends l'exemple de la fête de Tabassou, ou de madame. imaginez un instant, le jour de la fête, on ne voit pas le chef de l'État à la grande prière. Vous voyez, ce n'est pas une prescription constitutionnelle, mais ça sera un véritable séisme politique. C'est pour vous dire à tel point la religion rentre dans les mœurs politiques et administratives. Et même dans les différentes euh, cérémonies euh, protocolaires, on commence toujours par la fatia. Le point à démontrer l'ancrage de la religion dans le protocole politique et administratif du Niger et par conséquent dans l'État. Ça veut dire que la République, elle est séparée de la religion, en théorie, mais elle est vraiment très lié à la religion sur, le plan pratique. Alors comment remédier à cet état de fait Ce ne sont pas des décisions qu'on prend comme ça administrativement. Le phénomène religieux, il est dans l'esprit. C'est une mentalité, c'est une mœurs, c'est une philosophie, c'est une certaine cosmovision de l'univers. Par conséquent, il ne faut pas parler de comment revenir. Je pense que la réalité de la chose, c'est ça le principe. La réalité sociale, c'est ça le principe. Donc, je pense que ici, la proclamation de la laïcité, c'est un postulat de base sur lequel il faut apprécier certaines affaires de l'État, mais je pense qu'il faut prendre comme élément essentiel la pratique administrative, la pratique politique. Je ne vois pas une décision qui va venir, par exemple, empêcher l'accomplissement et ces mœurs inspirées de la religion dans les affaires politiques ou administratives du Niger. Donc je pense que il faut peut-être l'entrevoir même sous forme positive. qui, déjà par une communion autour de la religion, on peut arranger, cimenter certaines choses, je pense que euh, où est le problème Aujourd'hui, on voit au-delà de tous ces aspects textuels, par exemple l'inclusion de, des associations religieuses dans la recherche de la paix, dans la gestion des conflits, dans la prévention des conflits. Donc je pense que, est-ce qu'il n'est même pas indiqué de faire appel à la religion pour résoudre certains problèmes même de gouvernance. C'était là le constitutionnaliste Maine Karté Boukar relativement à la célébration ce jour de la journée mondiale de la laïcité. Et nous sommes au terme de ce forum dans lequel nous avions abordé la situation des migrants, de la situation du rapatriement des migrants d'Algérie vers le Niger. Nous avions également parlé de la lutte contre la corruption en marge de la célébration ce jour, euh, vendredi 9 décembre 2016, de la journée mondiale de lutte contre la corruption. Merci donc euh, à vous de l'avoir suivi et merci de, et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.